auditrices et auditeurs, bonjour à vous et bienvenue dans notre rendez-vous quotidien du Niger sur Kalangou de ce mardi 17 décembre 2024. Au micro, je suis Ali Moukela Hussein, alias Seno et avec moi Fanta Chamsou pour la présentation. Bonjour Fanta, comment vas-tu Je vais bien Seno. Et toi, comment tu vas Super de mon côté, Alhamdulillah. Alors Fanta, qu'avons-nous au menu ce matin pour nos auditeurs Au programme de cette émission Seno, nous débuterons avec un flash d'informations couvrant l'actualité nationale et internationale. Ensuite, euh, nous offrirons à nos auditeurs une sélection musicale mettant en lumière les rythmes nigériens, puis suivront la rubrique Éco des régions, un volet sportif pour les passionnés, une section dédiée à la culture linguistique et enfin le loti euh, du desk femme du studio Kalangou. Et oui, Fanta, dans la partie entretien, entretien de ce matin, excusez-moi, nous recevons Yakuba Mahamadou, le principal responsable de l'exposition du SAFEM. Et sans tarder, nous vous proposons de suivre le flash d'information avec Nafissa Domoussirfou. Bonjour Nafissa. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le Niger célébrera demain 18 décembre la date anniversaire de la proclamation de la République. Ce 106e anniversaire intervient à un moment où le pays inspire légitimement à assumer sa souveraineté internationale, également avec la prise du pouvoir depuis le 26 juillet 2023 par le CIA NSP. Le lycée scientifique des filles a été inauguré hier 16 décembre au quartier Kwarakano de Niamey par la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif. L'établissement public de cycle moyen entièrement financé par l'État du Niger a été créé il y a deux ans. Aujourd'hui, il compte 110 élèves venus de toutes les régions du pays. Elles sont reparties entre quatre groupes pédagogiques, deux classes de seconde, C et deux classes de première D encadrées par dix professeurs. Enfin, plusieurs pasteurs et agro-pasteurs nigériens sont en renforcement de capacité sur les techniques de valorisation et conservation des résidus de culture dans la région de Tawa. Cette initiative des autorités permettra aux bénéficiaires de mieux valoriser et conserver les résidus des cultures au niveau des corridors pour bétail, des sous-bassins d'intervention du projet de plateforme intégrée pour la sécurité de l'eau au Niger, Pissène. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci beaucoup, Nafisa, pour euh, toutes ces informations. Je vous en prie, bonne suite à vous. Merci. Alors, euh, chers auditeurs, comme annoncé dans la partie entretien du jour, nous allons écouter M. Yacouba Mahamadou, le principal responsable de l'exposition du SAFEM. Oui, Fanta, mais avant, dégustons d'abord euh, ce titre Tabi de l'artiste Toumel Sirius, une façon de permettre à nos auditeurs de bien s'installer dans cette émission. <laughs> chaos. so easy. Ella beni, ella beni. Ranka Allah bara na sa duka sun kaɗa kai yanzu kaina ake so a ɗau matakai ba su faɗi amma ni na sani to ml turis ya zama su haɗa kai anya ka san da waye kake gasa faɗa na ta ko kuku ka zo wasa kowa ke gaba na ni zane haɗe idan na gama in bi shi da yatsa ba ni taɓi in kuna son ta fashe in shi ku ba ni taɓi domin kiɗan na kashe in shi ku ba ni taɓi ku shera zane haye in shi kawai ku ba in shi ana ta mai haƙuri mawadaci ne mai gaugawa shi ko malalaci ne rayuwa ba ta san girman kai agun Allah kowa mabaraci ne in ka gane haka zaka yi ɗaukaka suna da arziki zaka samu duka 'yan mata masu kyau fara da baka sutura mai kyawu duka zaka saka nuna isa yanzu ne ma yake aboki kai ne ke ganin na makara waka ina da gudan dumbushe gudan da yawa saura har sun yi gara ni ba son zuwa neman taimako dan yin haka ai yayi kama da bara wurin wazan je neman taimako ni da na san ba wanda ya hini dara mutane na so na Allah suna yi na baby na kiran serious kai ne zabi na momi ta cewa a san kakkai kira in ba haka ba ni da kai babu hira duk da hakan wa'ansu ba sa suna rashin nasara ta yana sa su murna da mugun nihi ne suke yi ta bina suna zagi na yani Eh oui cher auditeur Sirius est un artiste rappeur nigérien prometteur euh, qui s'impose de plus en plus sur la scène musicale son talent a été reconnu cette année lorsqu'il a remporté le premier prix du concours national de rap Serkinwaka 2024 une distinction bien méritée rappant aussi euh, bien en Hausa qu'en français, il maîtrise parfaitement l'art de captiver son public avec des textes puissants et engagés. Et en plus de sa carrière musicale florissante, il poursuit ses études à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey prouvant ainsi sa détermination à réussir dans tous les deux domaines. Depuis mon apparition, je suis redouté comme un tsunami. Ils veulent me voir à terre, couché, carreau sur le putain de tatami. La haine, tu en fais une affaire de famille. Deviens excellent, comme moi, c'est tout l'ami. Et si cela est difficile pour toi, tu peux toujours essayer le repliquer. Les chambasira que j'arrête, il n'a rien à kamala, mais kengenka. Sambaka iye, mais tu fuska, habana iye, zama malamenka. Sirius, hey, j'assume, j'ai Subiga ka basunan tambade Flow kin ka saki ka tankaɗe. Ka karaga musu komi don hambade Serious babban kwaro mai kashi cike da bargo shalela hajiya da gogo aboki ya yi dan a gayu na san barago daga auta haddan harko suna da ladabi da biyayya amma in ka taɓe su sai ka gano ku bani tabi in kuna son fashe in ku bani tabi domin kiɗan na kashe in Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Tabi chanté par l'artiste Mel Sirius tout en espérant que vous avez aimé. À présent, nous allons écouter la première partie de l'entretien du jour, n'est-ce pas, nous Oui, Fanta, euh, durant dix jours, euh, a accueilli le SAFEM du 6 au 15 décembre. Cette 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme a vu la participation d'une vingtaine de pays, dont le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, comme invités spéciaux. Les visiteurs ont afflué du début à la fin, les exposants ont eu l'occasion euh, de couler une partie de leur marchandises. Yacouba Mamadou, le principal responsable de l'exposition dans cette première partie, apprécie le déroulement de l'événement. Un petit bilan dans l'organisation. Il est joint au téléphone par Raila Toussoumana. Monsieur Yacouba, d'abord, comment est-ce que vous avez apprécié l'organisation, le déroulement cette année de la foire comme c'est la première fois depuis que CNSP est au pouvoir. Euh, merci Madame euh, pour votre question. Je voudrais euh, en tout cas vous remercier, très sincèrement remercier la radio Kalangou, l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer par rapport à l'organisation de la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme concernant votre question, je voudrais juste dire que, en tout cas, cette année, la 13e édition a été très bien organisée. Et pour la bonne et simple raison que euh, nous avons tous constaté la qualité de la prestation euh, que nous avons eu à mettre en place cette année. Et cette organisation a été de très bonne qualité parce que nous avons été aussi accompagnés, il faut le dire, il faut le rappeler, par des institutions de, la République telles Anec, telles qu'ANSI, et beaucoup d'autres partenaires qui ont accepté de nous accompagner et dans l'organisation, en tout cas, de, la 13e édition du, SAFEM. Et ça fait quand même trois ans que nous n'avons pas organisé le, SAFEM. Peut-être que cela aussi constitue un autre facteur qui a fait en sorte que euh, les gens, en tout cas les organisateurs, les, se sont sentis, ou bien en tout cas étaient beaucoup plus déterminés, engagés encore et pour faire une très bonne organisation. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'autres éléments en amont qui ont fait que euh, cette organisation a été très bonne. On peut rappeler un parmi ces éléments et toutes les, rencontres qui ont été organisées par la ministre de l'Artisanat et du Tourisme avec les différents acteurs de l'artisanat. Comment est-ce que vous avez apprécié l'engouement de la population et des pays invités aussi Est-ce qu'ils ont tous ont répondu favorablement. Est-ce que c'était à la hauteur de leurs attentes Merci madame pour votre question. Permettez-moi juste de rappeler que à cette 13e édition du Salon international de l'accident de la femme, nous avons reçu eh, la région de Difa comme région phare, la République togolaise comme pays invité d'honneur et le Burkina Faso, le Mali et le Tchad les trois pays invités spéciaux. En termes d'engouement, madame, je voudrais juste rappeler que D'habitude, dans l'organisation des différentes éditions, on constate euh, l'engouement surtout les cinq derniers jours du salon. Mais cette année, particulièrement, nous avons constaté, remarqué cet engouement du premier jour jusqu'à la fin de l'édition. Ça, c'est un élément extrêmement important et certainement que euh, l'honneur que nous a fait nos pays amis, la région phare, c'est DIFA, au-delà toutes les régions du Niger, a fait en sorte qu'on a constaté cet engouement-là. Il faut aussi rappeler, Madame, que en amont de la 13e édition, il y a un travail exceptionnel qui a été mené par la ministre en charge de l'artisan, la ministre de l'artisan et du tourisme, en collaboration avec l'agence AFEM et les structures fêtières des artisans à travers des rencontres. Donc tout cela a contribué à, vraiment à cet engouement que nous avons constaté cette année, je dirais exceptionnel, et qui a été permanent et pendant les dix jours du salon. Cette année, euh, nous avons tous vu qu'il y a eu des innovations, il y a des, des maisons de certaines ethnies euh, avec euh, leur culture. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a motivé cette initiative et quel a été le résultat Est-ce que c'est le résultat escompté Effectivement, vous avez remarqué que cette année, nous avons mis en place, nous avons en tout cas en collaboration avec euh, la région phare, la région de Difa, donc a bien voulu mettre en place ces cases des différentes ethnies de la région. Et c'est un élément extrêmement important dans les éditions précédentes que nous avons tenues au niveau du village artisanal de Wadata. Nous avons toujours mis l'accent sur ce que nous avons appelé les cases de mariés. Chaque fois qu'il y a une région phare, la région phare euh, présente en tout cas les différentes cases des mariés des différentes ethnies. Et il y a deux ou trois éditions au cours desquelles nous n'avons pas mis en place ces cases. Mais cette année, la région de Difa a proposé et l'agence AFM a accepté. C'est un élément extrêmement important un élément culturel extrêmement important que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Ça a été une occasion, n'est-ce pas, de découvrir d'abord les différentes ethnies de la région de Difa. Ça, c'est un. Et l'habitation traditionnelle de ces ethnies-là. Et cela a constitué, je dirais, un produit D'être touristique parce que à un moment, ces cases étaient visitées comme le musée parce que euh, les scolaires, les étudiants et même la population qui ne connaissait pas cette culture-là a eu l'occasion de la voir, de la visiter et nous avons reçu des retours très positifs par rapport à cela et qui nous encouragent, n'est-ce pas, à continuer dans ce sens-là. Et je crois que les prochaines éditions, euh, là où les différentes régions qui seront régions phares, et mettra en place ces cases de mariés pour permettre à nos jeunes, n'est-ce pas, euh, de découvrir les différentes ethnies, des différentes régions, mais aussi les cases de mariés de ces ethnies-là. Donc c'est un résultat extrêmement positif qui a rehaussé la qualité de la 13e édition qui vraiment euh, comment dirais-je, en tout cas, nous a beaucoup satisfait en tant qu'organisateurs. Voilà, chers auditeurs, avant de poursuivre avec l'entretien, avec la deuxième partie de l'entretien, euh, partons à une autre balade musicale et cette fois-ci, je vous propose le titre Kwalelenka du groupe Mamaki Boys. C'est parti. je m'accroche pour que tu sois patriote. Rappelle-toi, ton pays, ta culture, ta musique, tes artistes te représentent. N'oublie N'oublie-toi, sois fier des Nigériens, malgré qu'il y a souvent des hauts et des bas. Kagani, wasu sun ce Niger baka kasa ce ta yamma ga Chad. Kagani, wasu sun ce Niger kasa da ake kasarwa bisa waiwai a mako. Niger ta gode Allah, mai girma su mare wata ala. Kasan ko ba komi akwai addini, zumunci ba bambanci tarbiya. Lumana ba ha inci wani in yayi rawa aka taba, wani in zahi mental kai ta kagani. kuma shi komi ta ka kidan ka zaki ba laifi sha abun suru buka mun ratse shi boka Allah ne Ce groupe euh, Mamaki Boys a été formé en 2002 par deux frères azistoni et le dauphin Bachir Youssouf Omar Bachou. La particularité euh, de ce groupe, c'est ce magnifique mixage entre le style traditionnel et le style hip-hop et ces rythmes de Douma présents dans toutes leurs réalisations. Justement, Fanta, la philosophie euh, et le style musical de ce groupe-là est révalorisation, bien évidemment, des rythmes puisés des différentes cultures et traditions du Niger. Et leur objectif premier est d'asseoir le métissage avec la musique urbaine actuelle. Leurs chansons sont toutes inspirées des textes des grands artistes traditionnels. Aziz Tony évolue en solo bien avant le décès de son frère et partenaire Bacho le 27 janvier 2019. Paix à son âme. uniform da farin su kashe ni na baka shugabancin ƙasa auditeurs, vous venez d'écouter le titre Kolelenka du groupe Mamaki Boys. Poursuivons avec la deuxième partie de notre entretien du jour. C'est un rappel, les lampions du SAFEM se sont éteints le dimanche 15 décembre. Un bilan positif selon Yakuba Mamadou, le principal responsable de l'exposition. Cependant, il retient quelques imprévus qu'il évoque dans cette deuxième partie de l'entretien qu'il a accordé à Rahila Toussoumana. La population trouve que les 12 jours c'est peu pour euh, tout visiter, pour acheter et tout. Là, il y a encore des exposants qui sont toujours là. Est-ce que vous avez prolongé l'exposition même s'il y a eu la clôture officielle ou bien c'est juste une dérogation pour certaines personnes Est-ce que c'est le SAFEM qui continue jusqu'à quand Le SAFEM a duré 10 jours, du 6 au 15 décembre 2024, la 13e édition. Nous, nous avons fermé. Et Madame, 10 jours de, salon, ce n'est pas petit. Et c'est vrai que les exposants ou, même les visiteurs pensent que c'est petit parce que il y a cette, cet engouement dont je parlais tantôt. On n'a pas envie que ça termine. Mais qui Kekia, les C'est que si les gens souhaitent que ça continue, c'est parce qu'effectivement, et les exposants et les visiteurs, tout le monde a pris goût, tout le monde prend goût. Nous aussi, nous voulons bien que ça continue, mais madame, il y a des charges que nous supportons qui sont très lourdes. Et heureusement d'ailleurs que l'État du Niger subventionne euh, l'édition du SAFAM, sinon euh, nous ne pourrions pas euh, l'organiser. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les plus hautes autorités, en tout cas du Niger, du CNSP et du gouvernement, pour l'appui, l'accompagnement, en tout cas, qu'ils ont eu affaire à, cette, à l'organisation, à la tenue de cette 13e édition de, de SAFEM, qui, il faut le rappeler, il faut le dire, sans ce soutien, je ne pense pas que eh, cette édition eh, aurait, aurait lieu. Sinon, nous, madame, nous avons fini, nous avons clôturé. Nous avons appris que la direction générale du stade Jonas Nkunke voudrait continuer avec les exposants. Ça, c'est leur site et ils sont libres de le faire aussi. Mais nous, euh, en tant que SAFEM, nous avons fermé nos portes euh, depuis le 15 décembre 2024 à 23h. Là, on, on, est en train de permettre quand même aux exposants de faire leur colis et de, libérer. Maintenant, ceux qui, ceux qui sont intéressés par euh, les salons organisés ou la foire organisée par le, le stade Là, il peut prendre attache avec la direction des stades pour voir les modalités de participation. Merci, madame. Quelle est la leçon apprise de cette édition du SAFEM Quelque chose qui n'a pas marché, que vous aimeriez corriger pour la prochaine fois C'est clair que euh, pour euh, l'organisation euh, d'un grand événement comme le SAFEM, on ne peut pas dire que tout a marché 100%. Et c'est clair qu'il y a quelques poches, il y a eu quelques insuffisances. Et c'est l'occasion pour moi, en tant qu'organisateur, de présenter nos excuses, n'est-ce pas, à tous ceux qui, eh, de près ou de loin, ont constaté quelques insuffisances. C'est un travail humain, il ne peut pas être parfait. Mais sinon, euh, de façon générale, vraiment, eh, nous pensons que eh, la 13e édition et s'est tenu dans de très bonnes conditions. C'est vrai, il y a quelques, quelques petits soucis, tels que quelques cas de vol en journée et, et, même la nuit, je dirais, mais grâce à Dieu, le voleur a été appréhendé et il a été mis à, entre les mains de la, de la police. Maintenant, les vols qui se font en journée, ça, personne ne peut rien. Et parce que en journée, chacun est responsable de ses biens. Vraiment, sinon, de, de, de façon générale, vraiment, nous n'avons pas constaté de gros problèmes. Vraiment, et, Mais, madame, permettez-moi de vous dire que le principal problème que nous rencontrons à chaque édition, et à cette édition aussi, c'est surtout le fait que nous tenons le SAFEM sur un site qui ne nous appartient pas. Et ça, c'est un casse-tête. Ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros souci. Et je dirais, c'est le principal problème, en tout cas, du SAFEM. Nous tenons l'édition sur un site qui ne nous appartient pas. Donc, c'est un site que nous ne maîtrisons pas beaucoup. Et c'est un site sur lequel on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, entre guillemets. C'est ça le principal problème, c'est ça la principale difficulté. Madame, sinon, en, en termes d'organisation, vraiment grâce à Dieu, tout s'est très bien passé, Alhamdulillah. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et à présent, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Oui, Fanta, nous sommes mardi, nous allons parler santé. Tout à fait, c'est nous. Et la rubrique santé d'aujourd'hui nous parle de la situation de la Banque de sang de d'Ottawa. En effet, Fanta, depuis euh, un certain temps, le Centre régional de transfusion sanguine de d'Ottawa traverse une période de manque de sang, surtout avec le groupe euh, O-, A-, B-. Mais ces derniers jours, avec l'aide des bonnes volontés, notamment les donneurs libres, les ONG et les services étatiques, le centre arrive à répondre aux besoins en sang. Écoutons cette interview accordée par le directeur régional du CRTS Tawail Hajkabiru Abdou au micro de Yaouli Abdul rendu au studio par Rouket Abdraman. Quelle est la situation actuelle de la banque de sang La situation actuelle de la banque, elle est un peu réalisante euh, puisque on arrive de plus en plus à avoir beaucoup de donneurs. Euh, même aujourd'hui, on a eu la visite de ONG euh, Adcool qui a passé pour faire un don de sang et que de l'autre côté, la demande est un peu réduite. Donc, en résumé, on peut dire que la banque a quelque chose à donner aux malades nécessités de ce sang-là. Ne pensez-vous pas que les gens sont réticents parce qu'ils ont peur que l'on découvre des maladies avec euh, leur sang euh, Ça, peut-être, euh, moi, j'allais, je peux dire que c'est de l'ignorance, puisque quel qu'en soit le temps, si on essaie de cacher une maladie, on ne peut pas le faire. Cacher une maladie, donc, ça revient à un travail vraiment qui ne va pas durer et que tôt ou tard, cette maladie va se manifester très bien. Donc, c'est pourquoi, moi, je peux donner conseil à tous ceux qui sont dans cette euh, logique ou de, cette idée de venir faire face à tout ce qui adviendra donc euh, pour leur santé. Ils n'ont qu'à se faire dépister pour toutes les maladies dont on craint, surtout le VIH et les hépatites et tout, afin de se situer, de savoir sa sérologie. Si elle est négative, tant mieux. Et on peut aussi se prévenir davantage afin de ne pas s'infecter, afin de ne pas tomber malade de ces, de, ces infections-là. Quels sont les groupes sanguins les plus demandés Bon, il y a les résultats négatifs, comme vous le savez. C'est les, groupes, tous les quatre groupes, donc ils ont leurs résultats aussi négatifs. C'est le A négatif, le B négatif, le AB négatif et le, le O négatif. Donc c'est surtout les quatre groupes-là et à l'avance, tout le monde connaît que euh, ce n'est pas donné à n'importe qui, dans un pourcentage, donc c'est un peu rare qu'on trouve ces gens-là qui ont ce, groupe-là. Ce qui fait que donc, euh, des fois, ça pose énormément de problèmes. quand on les demande ici ou euh, à notre niveau, donc on sera obligé de faire recours à ces donneurs qu'on a déjà recensés de notre répertoire et pour qu'ils viennent secourir et les malades nécessités de ce groupe-là. Aujourd'hui, en tout cas, on peut dire qu'il n'y a pas de soucis majeurs. Et on peut toujours vraiment avoir ce qu'on a besoin, ce qu'on a demandé. Donc, euh, on peut dire que vraiment la situation commence à se calmer et on espère que, Inch'Allah, on va sortir de, de ce que nous avons connu un peu en arrière. Là. Voilà, c'était euh, la rubrique hebdomadaire Santé, chers auditeurs. Avant de continuer cette émission, nous vous proposons de faire notre tour en musique avec le titre Makashimaza du groupe euh, Dangana Star 2 Zender. chers auditeurs, cette chanson sous un rythme traduit moderne avec des instruments tels que le goje ou encore la calebasse vante le courage et la bravoure que doit conserver un homme pour ne jamais renoncer à ses ambitions, quel que soit le danger. En effet, c'est le clip de cette chanson met en scène chasseur qui, malgré les mises en garde des mystiques, refuse d'abandonner son métier et son héritage, la chasse bien sûr. Et oui, euh, Fanta Makashimaza est un son signé par le groupe musical Dangana Star de Zander, lauréat du prix d'Angourme 2004. Ce groupe, euh, à l'instar de Haske Star de Ali Atibili, est né du célèbre groupe musical Super Haske du feu Sani Aboussa. Paix à son âme. mai shi sai an baka da tsoro aiki sai mai shi sai an baka da tsarau alwashin maza rashin ganawa sha sai rana ta faci za a sa da Voilà, chers auditeurs, euh, après cette belle sonorité musicale, passons à la rubrique Écho des régions. Le reportage région d'aujourd'hui nous amène à Iatawa, dans le département de Tessawa, région de Maradi, à la rencontre de Ibrahim Issa, un producteur agricole qui expérimente différents types de cultures, dont la goyave. Avec plus de 70 pieds de goyave entre les planches de riz, d'oignons et de tomates, Ibrahim a vendu plus de 80 000 francs CFA de goyave l'année dernière assis euh, à côté d'un tas de riz au milieu de son périmètre. Dans la vallée de Iatawa, il nous raconte comment il a débuté la culture de la goyave. Propos recueillis par Moussa Hassan, rendu au studio par asuma China. ina na ina kiyaye ta ina bata ruwa ina bata ruwa sai mutane a bakan haihuwa sai suka sha mana kai ab za mu zo mu ciga mu yi ai gado ne aka bar musu sai ce to ni ina ba abun nan ruwa ina aiki da shi ina gyaranta kuma kuna zuwa kuna ciga ai gare da ba ci gaba sai na kyale ta na bar bata ruwa da na bar bata ruwa shekara guda gaba ɗaya ta mutu ta bushe da ta bushe sai na ta kasuwa da kaina sai na ga wani mai tare da yana yawo da gwaiba sai ce kai ya ka ya yace iri nake so kamar na minti gwaiba sai ce to baba tsaya in zaɓan maka iri na kirki wanda in ka je kai maka yi amfani da shi sai ce ta nawa kake za ka bani na hiddo dala ɗari sai ce mishi ba ta ɗari da ya ba ta ɗari wannan da zan wata ma sai na ɗauko wani tsumma sai na kwashe ta sai na kwashe ɗiyar wannan tuwo tuwon wanda ake ci sai na baya da shi sai na sai na zuba ruwa sai na wanke na wanke na wanke na sa tsumma na goge na goge na goge na gyara tas gonin kyau a lokacin nan akwai wani mai gandun daji na wurin sai na je wurin sai da Allah ina son in yi gwaiba kai kokari ya Allah ka bani leda sai ce yau wani muna son masu aiki irin wannan dama da muka sai ba da ɗari hudu da na zo na zuba na ta cika na ebu taki na ebo rere na gama na kwaba na kwaba na kwaba ta dura gale da ta dura gale da sai da samu leda ɗari hudu har da sha biyar sai na fara da shan wannan gwaiba da ta hito ta girma ta gyaru sai na fara da sha ta nan wurin sai yara suka ce baba wurin nan kashe shi za'a da gwaiba kuma sai ce a'a gwaiba ma in ita kanta in ta zo arziki ne sai ce ashe in ce kwarai ko yaro ku ne ku san abin da ke da ni na san abin da ke da akwai tunda mun yi zama da tsoho na tsoho na gaya mini sai da ci gaba da sa gwaiba sai da sanya gwaiba gindi saba'in da uku na cikin wannan garkai yau da gobe yau da gobe wani in ya hito ya siƙi wani kawai sai dai in na zo na diba ina ba shi ruwa yanga gindin ya siƙi nasa ko mine ne sai yau ko an su mun shuka sai suka sau nan wurin sai suka ce mini tsoho mai gwaiba wannan gwaiba ta ka baka iya aikin ta manci a'a ni fa yi dai ne nake dan kawai haka nan dan ka a zama gawohi sai ta to tsayan gwada maka wa'annan ɗiyan na ƙasa ƙasa masu halissa wa'annan masu hitowa sai ce duka bi ka yanki na bi sai yanke su duka ta ake aiwa ne wani ya sashi ya yi ɓanna to wallahi da aka shekara ya ta wannan duka cikin shekara takwas ne suka yi haka suka girma ya ce in damuna ta ka ɗebo taki na zamani ko ma wani iri ne jimki guda haka ta watsa musu kowane ka bi shi haka nan cikin ɗan lokaci kaɗan za ka ta fara maɗiya shekara ɗaya cikin ta biyu sai na gwaiba ta fara hure kawai muka ci gaba da aiki muka ci gaba da haka muka ci gaba kaga yanzu gwaiba ta nan wurin ya akwai ciniki mutane na saye ba la abin na sai da gwaiba ta jikka 80 na sai da gaba daya kaga ta hinta kuma ba fasa ba ne yanzu ma wannan cikin su akwai wanda zani hidda ta lafiya wata wata babban ta kusa kamar haka ta fara hure yanzu ita kamar da gaba take cikin ta zani iba idi in wanke in gyara kuma in zuba gale da kuma in ci gaba da sa bana ma in Allah ya yarda ka latsa ka gani yadda gwaiba take da diya ka gani wani wuri diyan kai kanka sai ka yanzu haka muka je can wurin goyi ba ta wuri ka ganta kai da idanka ka ga irin yanayin ta anan kake saida ta ko wani waje kake kanta ina yi wa tasa da ita ina zuwa gazo da ita ina zuwa aje da ita kuma nan gari ma kauye akwai masu zuwa suna sayan goyi ba wuri na Voilà, chers auditeurs, c'était là le reportage en région. région. À Maradi. À présent, passons à la page sport avec notre chroniqueur sportif du jour. Il s'agit de Gourouza Hasmi. Bonjour Gourouza. Bonjour Seno, bonjour Fanta. Bonjour Gourouza. Alors Gourouza, les équipes dames et messieurs du Burkina Faso et du Niger se préparent activement. Hier, lundi 16 décembre 2024, des matchs ont eu lieu, n'est-ce pas Oui, Sénou, c'est dans le cadre des préparatifs des éliminatoires du champ Hier, les Étalons et le MENA ont fait match nul 0 but partout au stade général Sénou de Niamey pendant ce temps. Les dames des Étalons ont battu celles du MENA sur le score de 3 buts à 0. Les deux équipes en préparation vont jouer le 22 décembre 2024. Le MENA du Niger sera face aux éperviers du Togo le 22 et 27 décembre 2024. Le Burkina Faso affrontera la Côte d'Ivoire le 22 et 28 décembre 2024. Et parlons cette fois-ci d'une autre discipline, le taekwondo, précisément à Matame. Oui, Fanta, Matame dispose d'un seul club de taekwondo créé en 2023, un an de création. Malgré les difficultés rencontrées, le club arrive quand même à survivre. Nous avons rencontré Maître Abdul Salam Daouda, ceinture noire deuxième dan dans les locaux de la MJC de Matamé en compagnie des jeunes pratiquants. Il nous parle ici de la situation de son club. santur john anja to eh, sai a ce alhamdulillah ko godiya allah shi haraka na sport amur ne ko kana da ko baka da kana amur in abun kana debri haka nan kana nan gai ni da ina yi haka yanzu kun ga akwai abubuwa da nake bukata na aiki ban da su kuma ban da mawayin kin sayan su yara nawa ne yara a ina kai 25 zuwa 30 su yana biya kuɗi ko bon wani sai senkin mama katin mama bai baka ruwa komai ana yi dai ne kawai far soyayya abu ba ba gaskiya ba ba samu tallafi ko ina ba ban samu ba wallahi ko so guda ina debriye ne in sai yan kaki na rakilet wani menene hakan ga yanzu haka ma ina da bukatar rakilet babu maya misali yanzu a wata hudu ma babu yaran da ya kawo kuɗi sai yara zuwa hudu zuwa biyar haka uwayensu suna bani su ma wani gama sai a yi wata daya biyu sai ana uku mutum ya bada hmm, yaran funksiyonar ne ko yaran gari da eh, gaskiya akwai ɗiyan funksiyonar din ma kuma akwai ɗiyan gari sauran da ɗiyan gari ne kamar yaran unguwarmu ne ma in kamar mai so akwai dokoki namu in ka kawo yaro akwai kuɗin rubutu da ake cika biyu sai wannan kayan da suke jikinsu ana ce musu kimono sai an siye su su dole kaji dokar ehe eh, uwayen sun siya shi wannan dole ne shi ma saura sun da saura ba su ba an kai kokari ma ka sai tenin yayi na ka kokari zan mata mai sun san darajar taekwondo ko to gaskiya ban ce ba su sani ba tunda an taba yi da jima dai sun ce an taba yi da jima kuma daman da na zo. ya yan metar da yake koya musu to sai samu wata ya yi jarabawa ya wani kwankur na wazufori to kuma da ya samu ya tafiya shi da na zo ni kuma sai na dora daga inda ya tsaye ne kwanci ne nake yi hmm, daga ina ne ka hutu ni ni arlita na zauna hmm. arlita ne na yi amma na yi maradi daga maradi ne kuma sai na yi wuna ka samu taimako wajen federation ma ko ko gaskiya ban taɓa samu kosu guda akwai dokoki wanda suka sa na in sai ka cika su to shi kuma ba kowa yake da muwayin ibala kuma ana dan wani abu haka ko ana so a yi wani demonstration ko wani abu haka gari zuwa da magaran ko kana so ka kai yara baka da mawankin da zaka iya ɗauka yara ka da su shine babban matsala mu dai yanzu babban matsala ma kayan antarnama su ne ba mu akwai wanda ya fara taimaka mini majar ne na likita kuma Allah ya mishi cika ya yi haɗari daga da magaran zauwa nan gaskiya na talla ya fara tallafa mini ina da zan yi da magabata ko da masu hannu da shuni kwamin ɗin kwamin ɗin mata mai muna buƙatar tallafi shi komi da ake ganin shi nan in aka fara shi ƙarami ne amma an ba shi muhimmanci wata zai zama babba kuma wasu suna ganin kamar wannan abu ba komi ne ba eh, kamar wasa ne muke shi ko yana da muhimmanci ƙwarai ga yara ka wannan duka yara ne to shi kuma kai kadai baka iya sai mun ga zaka Alfaga ko wala misali gashi nan ba gashi nan kamar da wasa kamar da wasa wani bai ma san shi ba a lokaci ɗaya Allah ya ɗaukaka shi sunan shi ya ta ita ta kwando tana tallafa komi yara inda yanzu nan wani yana bukata ya yi soji wani gard wani gendarme in sun je can ma abin da za a koya musu ne gishi cimbi eh! Eh! Eh! Voilà, c'était euh, le club euh, de taekwondo de Matame. Voilà pour le sport. Merci beaucoup, Grousin, pour ces informations. Chers auditeurs, il est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour et le portrait de ce matin nous amène à la rencontre d'une ancienne migrante originaire du village de Adorifi dans le département de Kanté, Aïcha Moussa. Oui, après euh, une euh, mésaventure dans la migration, Aïcha utilise son expérience pour sensibiliser les autres femmes autour d'elle sur les dangers de ce phénomène. Une brave dame que j'ai eu à rencontrer lors d'une de ces séances de sensibilisation. Suivez plutôt le reportage. Elle, c'est Aïcha Moussa, âgée de 51 ans, mariée et mère de sept enfants. Aïcha est originaire de Adorifi, un village situé à 3 km de la commune rurale de Daouché, dans le département de Kanti. Même si Aïcha n'est pas une chanteuse de profession, elle utilise ses talents pour sensibiliser les femmes sur la migration. Et c'est toujours avec un chant qu'elle ouvre ses séances. Refoulée d'Algérie il y a huit ans de cela, Aïcha a vécu lors de cette mésaventure un traumatisme qu'elle peine encore à oublier. Une histoire dont elle souhaiterait éviter à toutes les autres femmes autour d'elle. Je suis allée pour mendier et je n'ai même pas gagné ce que j'ai dépensé. C'est la pauvreté qui m'a poussée à partir et aussi parce que je voyais les autres réussir. Mais pour rien au monde, je ne souhaiterais retourner. J'avais eu à peine six semaines avant d'être refoulé, et en rentrant, j'ai vécu un terrible accident. Je n'ai jamais été autant traumatisé de ma vie et c'est pourquoi je ne souhaite même plus y retourner. Trois bus remplis de migrants en provenance d'une ville qu'on appelle Fujiwa se sont cognés. J'ai vu des centaines de morts ce soir. Tous étaient originaires de Kanchi. Il y avait même la tête d'une femme arrachée qui était tombée sur mes pieds. J'étais sidérée. J'ai eu la peur de ma vie et la migration. Même mon propre enfant n'ira pas. Aujourd'hui devenue relais communautaire, Aïcha profite de ses sorties sur le terrain pour sensibiliser les femmes des villages en village. Elle fait aussi partie de plusieurs groupements féminins. À travers cela, elle ne rate aucune occasion pour soulever ces sujets, son but étant de ramener les femmes sur le droit chemin. Et à quoi je fais de mon mieux pour sensibiliser les femmes. Je suis relais communautaire. Je les sensibilise sur la planification familiale, les consultations prénatales, les accouchements assistés et autres. Et je fais aussi parler des groupements des femmes. Je les sensibilise lors des assises. C'est surtout les groupements qui sont dans les villages de Daouché, à Dorifi, à et Takara. Les femmes acceptent et comprennent cette sensibilisation. Elles apprécient beaucoup les prestations de Aïcha et acceptent le message. Vraiment, Aïcha Moussa nous sensibilise autant qu'elle le peut. À chaque fois, elle essaye de nous faire comprendre qu'il faut cesser de partir en migration. Ce n'est pas bien. Le mieux, c'est de rester éduquer son enfant. Si nous, nous n'avons pas eu la chance d'aller étudier, au moins qu'on ne prive pas nos enfants et de donner aussi une éducation islamique à nos enfants. Nous comprenons vraiment. Sinon, nous serions retournés encore une fois. Vraiment, j'apprécie beaucoup ses efforts. Elle nous sensibilise à chaque fois de nos assises. Nous l'appelons nous-mêmes. Nous la remercions beaucoup. Que Dieu la bénisse. Et nous acceptons aussi ses conseils. Grâce à elle, la migration des femmes régresse de plus en plus. Le parcours de Aïcha, marqué par des épreuves, inspire celles qui l'écoutent et démontre qu'une simple voix, portée par une volonté sincère, peut transformer des vies et ouvrir des chemins d'avenir plus sûrs pour les femmes de sa communauté. Voilà, chers auditeurs, c'était là le portrait de Aïcha Moussa, un hein, Fanta, que toi personnellement tu as réalisé. Exactement. Alors on passe euh, au loti du jour. Oui, c'est nous et dans la chronique Loti euh, d'aujourd'hui, le desk femme du studio Kalangu nous parle du problème de l'infertilité. Au Niger, le problème de l'infertilité est avant tout euh, individuel. La femme euh, qui se sent seule concernée par ce problème est la première à consulter. Selon le professeur, Madi, Nayama, en 2019, à l'occasion d'un atelier, il a indiqué que la maternité Isaka Gazobi de Niamey, une maternité de référence euh, neuf. 9 voilà, des femmes consultent pour les problèmes d'infertilité. Cependant, les causes de ce problèmes sont nombreuses et selon les spécialistes. C'est ce qu'expliquent Rafika Taher et Mariam Diallo dans ce loti. affairage, affairage, affairage. seau là-bas qui déborde et en plus tu as le visage entre les mains. Tu m'inquiètes vraiment. Hmm, je n'en peux plus. La vie sur cette terre n'a pas de sens. Jim, ne parle pas ainsi. La vie humaine est sacrée. Quel qu'en soit le problème, il y a toujours une solution. Parle, ensemble nous allons trouver la solution. Ça fait six ans que je suis mariée. Et jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Même pas une seule grossesse. Dis-moi à présent, madame, je sais tout. Que dois-je faire Comment vivre avec ce fardeau Hé, hé, hé, hé, calme-toi. es tu allé voir un gynécologue pour essayer de comprendre ce qui ne va pas chez toi Tiens, gynécologue Là où je suis allée là, ça dépasse les gynécologues. Ouvre bien tes oreilles. J'ai fait le tour de la médecine traditionnelle. Pris toutes sortes d'infusions et de purges. Rien du tout. À cause de ça, ma belle famille me déteste. Je ne peux même plus aller au baptême. Je deviens le sujet de conversation de tout le quartier. Même mon mari n'est plus le même. Hmm, voilà le problème. Sans examen, tu peux pas savoir ce qui ne va pas. Je t'explique un peu. Il y a entre autres l'infertilité primaire et l'infertilité secondaire. L'infertilité primaire, c'est lorsque la patiente n'a jamais été enceinte. L'autre cas, l'infertilité secondaire, lorsqu'il existe des antécédents de grossesse menés à terme ou fausse couche. Mais attends, l'infertilité primaire. C'est mon cas Justement, tout d'abord, prends un rendez-vous avec un gynécologue. Un gynécologue Non, ça coûte cher. Non, non, non, non, non, non. Tu peux aller dans les centres de santé publics comme les maternités ou les centres de santé et de reproduction. Ah, j'oubliais. Tu as quel âge d'abord <laughs> Moi, je suis encore jeune. Je n'ai que 35 ans. Qu'est-ce que tu crois <laughs> Oui, je n'ai que 35 ans. Tu ne sais pas que c'est à partir de 30 ans que les problèmes commencent Le principal facteur qui limite la fertilité reste l'âge maternel. Selon les experts, les femmes qui veulent faire un enfant doivent songer à la maternité avant 35 ans si elles ne veulent pas connaître des soucis d'enfantement, car laisse-moi te dire que la fertilité des femmes est à son maximum à 20 ans. À 30 ans, une femme ne dispose plus que de 12% de ses ovules et n'a plus que 3% à l'âge de 40 ans. Quoi Mais je suis foutue Non, calme-toi. Cela ne veut pas dire que tu ne pourras pas tomber enceinte. Songe à ce fameux rendez-vous dont je t'ai parlé. Mais attention, surtout n'y va pas seule Fais-toi accompagner par ton mari car il se pourrait que le problème vienne de lui. Ah, ça, tu as raison. Durant toutes ces années de calvaire, pas une seule fois mon cher époux n'a été inquiété. Autre chose à savoir, la vie quotidienne impacte la fertilité. Certains facteurs perturbent la fertilité à la fois chez l'homme et la femme. Parmi eux, le surpoids ou le sous-poids, les conditions de travail, par exemple l'exposition prolongée à la chaleur, longue durée de transport, le stress, le manque de sommeil, le tabac, l'alcool, la consommation de drogue et de café chez la femme le sport intensif et surtout de nos jours l'exposition prolongée aux ondes mobiles comme le téléphone. Tout cela. quoi qu'il en soit, j'ai bien noté. Je te remercie infiniment. Fini la dépression. Courage ma belle. Voilà, c'était euh, le loté du jour. Et dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Maman Ada. Il est journaliste, traducteur en langue Hausa au studio Kalangu. Et avec lui, on va découvrir ce que signifie le mot République en Hausa. Maman Ada, bonjour. Euh, bonjour, euh, Fanta Inakwana. Malam Seno Kanalapia. lafiya. Barka. Eto, yawa kamar da kika ce ne Republic da harshen Hausa, ma dai in tunatar da mutane a wannan mako ko in ce a gobe, ƙasar Nijar za ta yi bikin wato ranar 18 ga watan disamba wato eh, eh, lokacin da an ka sanar da kasar nijar a matsayin jamhuriya wato karo na 66 cikin waɗannan ana nuna cewa wato kasar nijar jamhuriya ce kenan dukkan abubuwan da suka shahi wannan kalma zan bayyana shi ita dai kalmar ta jamhuriya ta hito daga harshen latina wato republica wanda ke nufin abu na jama'a sannan kuma idan ka duba jamhuriya wani tsarin ta yadda ƙasa ce wanda kuma iko yana ta ga wakilan al'umma ko kuma zababbun mutanen da aka uh, aka zaba amma ba wai a ce wani sarki bane zai jagorantar da wannan ƙasa uh, wannan kasa ta ta Nijar ta zama jamhuriya tun uku ga watan Agustan shekarar 1960. Kenan eh, ranar 18 ga watan Disamba rana ce ta sanar da ƙasar Nijar a matsayin jamhuriya kuma ranar uku ga watan wato kuma ranar uku ga watan Agustan ɗin shi ma rana ce ta 'yanci na wato ƙasar Nijar ta sami 'yancin kanta wato muhimman lokuta ne na wannan ƙasa tamu ta Nijar kuma ranakun suna da muhimmancin gaske kuma suna cike da tarihin wannan ƙasa tamu idan ka dubi yanayin da kasar mu take ciki inda ake son a samu 'yancin kai wadda kasa za eh, ta yadda ikonta tare da al'umma kuma ba tare da wani eh, kashaidi ba ko kuma wani iko daga wasu kasashen yammacin duniya wato kalmar jamhuriya tana da muhimmanci musamman a cikin wannan kasa ta mu a wannan lokaci. To, sosai Adam. Merci ben, infiniment, Ada, pour euh, ces éclaircissements sur le mot République. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, écoutons ensemble les messages euh, vocaux envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ni haruna na mutum dogon duci a madamni kwanni muna sauran studio kalangu karfe biyar na marece muna jin abin da suke yi shi na da ga firga balle ga kasuwancin da muke yi muna fatan kuma allah ubangiji shi ba su karfin gwiwa allah ubangiji kuma shi kama mana suna ba da labarun nijar duka gaba ɗaya kenan kuma ka gani wannan shi kuma abin karfafawa na muna jin daɗin wannan Allah da ubangiji shi ba su gwiwa ai ma ci Ahmed Hamma igai bai da Ahmad Chef Mbama kan go balle yara sai kalangu irgo ga hangan gumo gumo gumo irgo ga mankani mu gumo zama ikan na bon fere kul irse ikan da zan kai sai bon fere ikan po ai eh, bai kulle kan garajo hangan wallahi ikan la sai bon fere zama yi wai kwa da bore ga foi kan hangan no sanni fo on te kan bon fere wani haidin go kani se gumo kalai ma cerce kane filan ka kama sanni sikani se mun sinen bora ka kama sanni kanga be jandi konu kanga dai gagu konu kan senda pacal pacal kul wallahi kalango karn dai dabu cerga wallahi kanir se gumo abori gumu ikanda bon fere gumu gumu gumu gumu alfa dum dai kango ne da ballar se kwali kara ga fo gumu gumu gumu ai ga fo mai gari in ba mu wana wiri mai gatta jo ga fo gumu gumu gumu ai ga saba ta gumu farsana nawa kan sai nal kaidun ba mu ai ga fo gumu hadis mamma nan da dai nake shato balle yara cikin shirin nasu da suke yi dai a cikin wa'anda na saurara su kai ga mata su tashi su yi tsaye su nemi sana'a ni shine ya burge ni tunda saboda yanzu mutane suna cikin zamani ne wanda ya zamanto komi na da tsada a rayuwa kenan in an ka ce a tsaya a dibi maza su kadai su doki gida kuma harkar na akwai matsala tunda saboda yanzu mutane gaskiya kuɗi ba na yanzu ba wani albarkan kirki gare su ba dan da kai ka tai ka ɗauki kuɗi gashi nan gudan da yawa ka je ka sai abu ma sai ka gani ga nan ka ɗauko shi a cikin hannu kenan dole mata su tashi su yi tsaye saboda a taimaka ma ɗiya bisa ka abin na sani dai yanzu saboda wayan kan nan da ake ma ɗiya mata shi ma ke gani wani babban alheri ne tunda in su yara suna shorare suna daukawa mu duka abin yana taimaka mana da bisa kai ga harkar ɗiya maza ba da labaru dai abubuwan da ke faruwa cikin ƙasa wannan shi ma an mutum na shoraren shi dai akwai abin da kake saurare yana taimaka maka tunda shuraren labarun na mashi wani babban alheri ne saboda ko su abubuwa da baka sani ba ga shuraren labari kana jin shi eh to ina da mutane wanda zani gaidawa kai lalle tunda nan ga ina da wata uwa ta ma radio da lalle take aiki zara mai na ramsonan ita ma lalle ka ina aika gaisuwa na a gare ta saboda ina jin daɗin rayuwa a tattare da ita Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. si t'aimes le show, vas-y, n'est-ce pas, Fanta Oui, c'est nous et c'est sur ce euh, qu'on va se dire au revoir dans cette émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Ali Moukela Ousseini, alias et moi-même, Fanta Chamsou. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec euh, un, nouveau duo. Et oui, euh, à la technique, c'était Mustapha Ayuba et Adam Adawaki à a l'édition. Excellente journée à toutes et à tous. Ciao, ciao.